Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio et auditrice du studio Kalangou, bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 6 avril 2018. Le forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec des confrères de la presse écrite, de l'audiovisuel et des médias en ligne pour décortiquer l'actualité. À suivre dans le forum de la presse de ce soir, l'expulsion inattendue du journaliste de la radio et télévision Bonferré du territoire nigérien aussitôt sorti de prison. Comment comprendre que Baba Alpha représente une menace pour la sécurité intérieure du Niger Analyse à suivre de nos confrères dans ce forum. Au plan politique, nous revenons sur l'entretien exclusif qu'a accordé le président de la République Issoufou Mahamadou à la télévision nationale Télé Sahel, un entretien qui marque l'an 2 de son investiture pour un second quinquennat. Autre thématique toujours du domaine de la politique, c'est la sortie médiatique d'un allié du pouvoir, notamment le bureau politique du MPN Kishinkasa qui donne sa position sur le code électoral. Le parti du ministre des Affaires étrangères Ibrahim Yakuba, membre de la mouvance présidentielle, a fait savoir toute sa désapprobation du code électoral qui ne serait pas de nature à garantir des élections consensuelles. Que cache cette sortie du MPN Kishinkasa et pourquoi seulement maintenant vous suivrez les analyses de nos confrères invités. Enfin, la crise à l'université Abdou Moumouni qui continue avec des mots d'ordre successifs de grève que lance l'ISN et l'arrêté du recteur qui fait appel aux forces de l'ordre pour sécuriser le campus. Pour discuter de tous ces sujets, nous sommes en compagnie de nos confrères Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir Issa. Bonsoir Mamadou. Elage Mohamed Suleiman, journaliste euh, au niveau du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir Suleiman. Bonsoir. Et nous attendons d'un moment à l'autre Arimi Abakiari, journaliste à la radio alternative. Présentation de cette émission à Lassane Kouzi Mohamedou. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Forum de la presse que nous ouvrons par l'expulsion du journaliste de la radio et télévision Bonferré Baba Alpha. Mardi dernier, alors que beaucoup de personnes attendaient avec impatience la sortie de prison de Baba Alpha, c'est avec stupéfaction que les Nigériens ont appris ce qui est arrivé au journaliste. Dans un message audio de l'intéressé, l'on apprend qu'il lui a été notifié le même mardi aux environs de 10 heures un arrêté signé par le ministre de l'Intérieur qui l'expulse et lui interdit tous ses jours au Niger. Il a été d'ailleurs conduit dans un véhicule de l'État jusqu'à la Bzinga, frontière Niger-Mali, et confié à la police malienne. Il est ensuite resté bloqué là-bas jusqu'à ses jours vendredi sous la responsabilité des gendarmes maliens. Aux dernières nouvelles, il fait, route en ce moment sur Gao après que les autorités maliennes aient accepté de lui accorder l'asile à condition qu'il reste silencieux. Par ailleurs, je vous propose de suivre une analyse juridique de maître Amadou Adamou Bachir, chargé d'enseignement en droit à l'Université de Toulon en France, sur l'illégalité de cette expulsion. Pour le cas de Baba Alpha, il a été poursuivi pour une infraction de droit commun qui est relative à un faux usage de faux. Donc, elle n'en est à rien aujourd'hui liée à une forme de menace quelconque qui pourrait justifier son expulsion du Niger. Le dossier a été jugé, une décision a été rendue. Il a purgé une peine d'un an euh, avec un an de sursis. Après cette peine, à partir justement de cet arrêté d'interdiction, on pourrait dire qu'il lui est en train de purger une double peine. La question de l'intégration régionale et sous-régionale a une assise constitutionnelle dans notre pays. Finalement, ce qui est en train de se passer pose une question de violation de certains instruments juridiques, tant du plan de vue national que régional et international. Il lui fallu une fois que la notification a été faite, lui permettre de pouvoir saisir un juge des référés pour effectivement apprécier la légalité de cet arrêté d'expulsion. La citoyenneté communautaire aujourd'hui nous permet de pouvoir s'établir librement dans n'importe quel pays de la zone CDAO. Maître Amadou Adamou Bachir, chargé d'enseignement en droit à l'Université de Toulon en France, euh, que vous venez d'écouter sur l'illégalité euh, de cette expulsion de Baba Alpha. Alors, je m'en vais commencer avec vous, euh, Elage Suleiman Mahamadou, du journal en ligne Niger Inter. Quel commentaire vous inspire cette expulsion surprise et rapide du journaliste Baba Alpha Mon commentaire, c'est d'abord. Euh, un sentiment euh, d'indignation parce que, avant tout, ça nous concerne en tant que journaliste. C'est un confrère, euh, donc par conséquent, tout ce qui touche l'un de, l'un de nous nous touche indirectement d'une certaine façon. Donc, de mon point de vue, c'est une situation assez préoccupante. C'est assez regrettable qu'on en est arrivé là. Euh, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon de, de, faire. Est-ce que véritablement euh, c'est ça la solution euh, Je ne suis pas sûr. Donc, par conséquent, je trouve cela un peu excessif. un journaliste n'est pas un terroriste. Il n'a que sa plume, il n'a que son micro pour parler. Euh, considérer qu'il qu'il menace la sécurité de l'État, c'est justement un argument. Certainement, il fallait justifier cette mesure. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Euh, donc, euh, vraiment, ma réaction par rapport à cette situation, c'est que euh, franchement, ça nous interpelle beaucoup en tant que journaliste. il y a que, d'une certaine façon, c'est une grande épreuve que vit en ce moment Baba Alpha. Donc, euh, on a une pensée tout à fait particulière euh, sur ce qu'il vit, c'est connu de tous. Il a étudié ici, comme il l'a dit, il a grandi ici, il est marié ici. Euh, bref, je pense que c'est assez déchirant. quand on a appris la nouvelle, bon, on pourrait même se poser la question, qu'est-ce qui amène une telle sévérité de la sanction au niveau de, de, l'autorité. Après, euh, euh, après, après, justement une, une, peine, franchement, tout le monde était désorienté d'apprendre que il a été expulsé. C'est une situation, en tout cas, assez singulière euh, dans, en tout cas, la, au niveau des journalistes. Mais je pense que euh, moi, ce que j'ai dit, cela nous interpelle, ça doit nous amener véritablement à méditer, à méditer euh, notre rapport avec, euh, avec le pouvoir, notre rapport en tant que journaliste, avec tout simplement notre métier. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire là concrètement Ce que je voudrais dire, en fait, quand on essaie de remonter, qu'est-ce qui amène tout cela ce qu'il y a quelque part notre façon de faire. Moi, je ne dénonce pas seulement Baba Alpha, mais nous tous, à savoir que véritablement, peut-être qu'on a l'occasion d'apprécier cette situation. Quelque part, quand vous lisez la presse nigérienne, quand vous écoutez la presse nigérienne, et selon donc euh, euh, l'obédience des médias, la sensibilité des médias, il y a que nous prenons des libertés par rapport au, à, la, à la déontologie et l'éthique et je pense que ce qui doit nous libérer, ce qui doit nous guider, nous protéger, c'est d'abord effectivement euh, euh, mettre en avant donc euh, l'éthique et la déontologie dans notre travail. Lorsque nous devenons des militants, lorsque nous engageons pour des causes politiciennes, effectivement, cela nous amène véritablement souvent à nous mettre euh, dans une situation euh, assez, assez, assez complexe. Donc, il y a que cela doit être médité vraiment euh, par tous, en tout cas au niveau de la, de la corporation. Il y a quelque part donc notre faute, mais ce qui est arrivé, en tout cas, de mon, de mon point de vue, c'est assez excessif de considérer qu'un journaliste pourrait menacer la sécurité, de l'État. Alors, Issa Madougou, de la radio et télévision Ténéré, qu'en dites-vous de cette situation euh, de Baba Alpha, expulsé aussitôt sorti de prison ben, Écoutez, tout d'abord, euh, nous réitons encore notre soutien à notre confrère, ami et camarade secrétaire général du Ben Baba Alpha, pour cette épreuve euh, qu'il est en train de vivre. Pensons que euh, tout d'abord, nous sommes des êtres humains, des mortels, euh, qui ne connaissons pas ce qui va se passer dans les prochaines heures. Moi, je pense que nous ne pouvons que déplorer cette situation qui lui a été imposée. Mais il faudrait analyser beaucoup, un peu avec minutie, cette situation. Euh, quand on regarde, moi, je, d'abord, le motif c'est ça que je, me pose jusque-là des questions. Encore Baba constitue une menace pour la sécurité intérieure du pays. Et quand je vois aussi les décisions, l'arrêté qui, qui conditionne le sauf-conduit est daté du 3 avril. Or que le soft conduit est daté le 2 avril. Le sauf-conduit euh, signé par la direction de la, surveillance du, territoire, et l'arrêté du ministère. C'est l'arrêté qui conditionne le sauf-conduit. Mais voyez-vous un peu la manière dont on Vous voulez dire que la DST avait signé le sauf-conduit avant que le, ministre euh, de l'Intérieur ne prenne sa décision. Mais Mahmoud, quand vous regardez, c'est très clair et simple. Nous usons de notre intelligence. L'arrêté est daté le 3 avril 2018, or que le sauf-conduit est daté le 2 avril. Qu'est-ce que ah. cela signifie pour Cela signifie qu'on sent qu'il n'y a il n'y a pas seulement. Euh, c'est-à-dire, on sent d'abord, dans un premier temps, l'envie de finir franchement avec Baba Alpha. Que Baba Alpha de, toutes les façons. Baba Alpha va sortir de prison, il va être en ceci avant d'être de, euh, rentrer dans le processus de réhabilitation. C'est ça. Dès qu'il va sortir, mais ce n'est pas dire forcément qu'il va entamer son, son, métier. Non, non, non. Il sera d'abord en ceci avant d'être dans le processus. C'est pour cela qu'on on ne comprend pas pourquoi cette précipitation de l'expliquer pour des motifs qui n'ont pas été clairement précisés dans l'arrêté. Sauf on dit que c'est pour la sécurité, une menace pour la sécurité intérieure. Moi, je pense que les autorités, et vraiment cette fois-ci, euh, ils ont pris une décision qui ne les honore pas, qui ne les honore pas aussi la nation nigérienne. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater, quand vous regardez un peu partout dans la sous-région, quand les médias en parlent du Niger, moi, surtout quand j'aimerais tout Nigérien, j'aimerais qu'on parle du Niger, mais dans le bon sens, mais pas qu'on critique le Niger pour mettre le Niger sous les feux des projecteurs avec des, notations assez très bas, assez très vraiment critique. Donc c'est ça qui aujourd'hui qui n'est pas bonne. Alors qui nous a amené dans cette situation Moi je pense que il faut faire preuve un peu d'humanisme, quelle que soit la guerre que vous avez eh, lancée contre euh, un groupe de personnes ou bien une personne. D'abord il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains. Parfois il faut prendre certaines valeurs que nous partageons pour pouvoir justifier certaines choses. Moi je pense que cette situation aujourd'hui dans laquelle personne. C'est pour cela que moi j'ai vu, c'est très, c'est très, c'est très et, déplorable l'attitude de, de certains journalistes qui aujourd'hui sont contents même de cette décision. Et moi j'ai dit, écoutez, nous sommes des êtres humains, tous des mortels. Aujourd'hui, dans l'exercice de notre métier, parfois il y a des erreurs que nous commettons délibérément, mais il y a des erreurs que qui passent inaperçus, sans que nous, et qui peuvent avoir des conséquences, fâcheuses. sans que nous nous rendons compte. Donc, il ne faut pas se réjouir, quel que soit dans la vie, de la situation critique dans laquelle se trouve un, autre vivant comme toi, parce qu'on ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Ah. Nous devrons faire preuve d'humanisme, preuve d'union, et aussi, tout à l'heure, là a évoqué, cela devrait nous amener aussi par rapport aux exerçants dans le métier des médias mm. à faire vraiment preuve de la responsabilité dans l'accomplissement de notre tâche que nous, avons, nous sommes engagés à remplir en vertu du respect des textes et lois qui sont en vigueur dans notre pays. Alors, euh, Issa Madougou, comment vous appréciez l'évolution de cette situation On a vu que malgré euh, cette expulsion, Baba Alpha a quand même passé au moins euh, plus de deux jours au niveau de la frontière Niger-Mali à Labzanga où il a été gardé par, par des gendarmes en attendant d'avoir une autorisation au dernier moment. Aujourd'hui même, nous apprenons, que les autorités maliennes ont donc euh, finalement accepté de lui accorder l'asile à condition que ce dernier euh, puisse euh, rester silencieux, puisse se taire, ne pas continuer à, parler sur les médias. Alors, euh, moi je ne maîtrise pas franchement comment le processus d'acquisition de l'asile ça se fait au Mali. Je pense qu'ils ont leur propre procédure à eux, et tout comme chaque pays. Malgré que nous, vivons dans un, euh, dans un espace communautaire, il faudrait aussi respecter. Donc je pense que ce qui a pu retarder jusque-là euh, son séjour au niveau de l'Abzanga, c'est peut-être que c'est la procédure qui a pris du temps, et, mais il faut aussi respecter la procédure. Euh, quand vous voyez, il faut passer par des papiers parce que c'est administratif. Moi, je pense que... La condition, la condition, c'est terre. Oui, mais... Bon, peut-être que ça, c'est, ça, vraiment, ça relève de, l'autorité malienne. C'est eux seuls qui savent pourquoi ils ont exigé cette condition. Mhm. Oui, parce que c'est peut-être que au Mali, il y a des textes qui, qui n'autorisent pas quand on t'accorde l'asile, que toi, parce que il faut aussi le dire, il y a plusieurs pays africains que on peut t'accorder l'asile. Ici même sur le continent, on peut t'accorder l'asile où tu n'as même pas le droit de travailler, mais parce que tu, tu es pris en charge, tu ne travailles pas, tu ne t'adonnes pas à des activités publiques, il y a plusieurs pays. Les, textes sont propres au pays. Hein. Il ne faut pas essayer un peu de, d'interpréter pour un peu comparer les mêmes pays. Non, on n'a pas les mêmes réalités et les textes diffèrent d'un pays à un autre. Malgré que j'ai dit, nous sommes dans un espace communautaire. Mais moi, je pense que à l'heure actuelle où il se trouve, de toutes les façons, il est en bonne santé et nous nous réjouissons et nous apportons notre soutien à lui et à sa famille. un mot sur cet aspect euh, Bon, je pense que c'est une question de formalité parce que c'est un cas assez inédit j'aurais euh, appris que même au niveau du, du, du, ACR, en tout cas au niveau du service d'immigration, euh, pendant, qui, accueille les réfugiés, c'est euh, un cas, puisque du moment où ils se trouvent dans les mains de la gendarmerie, en tout cas des autorités maliennes, ils ne peuvent pas parce qu'on vient chez eux lorsqu'on est libre, je veux dire lorsque on est un cas vraiment qui demande asile. Mais lui, dans son cas, il est encore dans une situation assez, comme je l'ai dit, inédite. Par conséquent, cela a pris du temps, donc le temps que vous conviendrez que aussi y a un autre aspect diplomatique qui intervient. Lorsque, quelle que soit euh, la, personne, un pays, dit que la personne là, je l'ai exprimé parce qu'elle constitue une menace. Euh, euh, donc pour la sécurité intérieure. Je pense que le pays d'accueil va faire attention pour ne serait-ce que simplement euh, Pour contenter en tout cas sa relation avec euh, son voisin. Mhm. Donc bref, je pense que c'était ça euh, qui a perdu un peu de temps, donc euh, ces formalités, donc euh, c'est un peu cela. Mais pour le reste, on va voir l'évolution de, son, de sa situation. On l'espère vraiment beaucoup de courage et qu'il puisse trouver un point de chute dans sa dans sa carrière, en tout cas, de, mon, de, point de vue, c'est une grande épreuve pour éviter aussi des problèmes communautaires entre euh, sa famille. Euh, donc, il préfère euh, aller quelque part dans un autre pays. plutôt donc, que on le espère que la situation puisse être vraiment puisse s'améliorer du fil du temps pour qu'il puisse vraiment trouver la tranquillité dans un pays qui pense être vraiment en sécurité et pouvoir vivre dans la paix et l'honneur. Bien, nous passons à un autre sujet. Au plan politique, à l'occasion de la deuxième année de son second mandat, le chef de l'État Issouf Mamadou. Il vous souviendra accorder une interview le lundi euh, dernier 2 avril à la télévision nationale Télé Sahel. Plusieurs questions ont été posées au président sur divers sujets d'actualité. À la question de savoir pourquoi le gouvernement se montre intraitable au sujet de la loi des finances 2018, objet de contestation, voici la réponse du président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. La loi des finances 2018 euh, est la traduction budgétaire du programme de Renaissance qui prévoit d'assurer la sécurité des Nigériens, prévoit de mettre en place des institutions démocratiques fortes et stables, des routes, le chemin de fer, l'énergie, les infrastructures urbaines, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau pour les populations. C'est tout cela que reflète la loi des finances 2018. Euh, et c'est pour cela du reste que cette loi est soutenue par l'immense majorité du peuple nigérien. C'est pour cela qu'elle a été votée par la majorité des députés. Bon, maintenant, qu'il y ait une minorité qui la conteste, c'est le droit de la minorité de contester. Nous respectons ce droit, mais ce droit doit s'exercer dans le cadre des lois en vigueur. Parce que les faiblesses de l'État ont toujours été la cause de l'échec des démocraties. Nous ne voulons pas échouer sur la voie de mise en place des institutions démocratiques euh, fortes, parce que si nous échouons, cela veut dire euh, peut-être euh, dans le contexte actuel, la victoire du terrorisme, des souffrances, des pires souffrances pour le peuple nigérien. Euh, le président de la République, Issoufou Mamadou, que vous venez d'écouter. Alors, euh, euh, Issa Morumadou, de la radio et télévision Ténéré, qu'est-ce qui vous marque dans cette réponse du président Issoufou et pourquoi <laughs> Écoutez, moi j'ai écouté avec attention le président de la République parce que je m'attendais seulement par rapport à cette question et la question des filles et femmes enlevées de Ngalewa. Euh, parce que deux ans de la Renaissance, euh, acte 2, moi, je, je sais que jusque-là, on on ne peut que faire des bilans partiels parce que même le programme phare, la renaissance culturelle, la modernisation sociale peine à être concrétisée, à être compris même par les, nos concitoyens. Moi, donc, je pense que on ne peut que l'attendre sur les, les, faits, les, euh, faits de l'actualité. Mhm. Écoutez, j'ai écouté le président, je l'ai réécouté. Mais juste, c'est un mot qui m'avait. Je ne sais pas, ça lui a échappé ou bien quoi, parce que je me suis dit, en tant que père de la nation, vous devrez promouvoir l'union. Sans, sans euh, distinction, sans discrimination d'une partie. Quel que soit, vous êtes le père de la nation, l'incarnation de la Aujourd'hui, en tant que président, c'est pour cela, même si pour moi, même si vous n'êtes pas d'accord avec euh, se fout, vous n'êtes pas un de ses militants, vous lui devez du respect parce que c'est le président qui Dieu a choisi. C'est pas c'est pas lui qui s'est choisi, hein. c'est Dieu qui l'a choisi à être au destiné de notre pays. Donc pour aussi, vu sa place, normalement, il devrait faire en sorte que dès qu'il s'adresse à la nation, qu'une partie de la nation ne se sente pas. Parce que minorité, moi je pense que vu la situation actuelle, si le terme-là n'était pas approuvé, une partie des Nigériens, il faut vraiment être souple dans les expressions. oui, être souple pour ne pas pour éviter la, frustration d'une partie du Nigérien parce qu'en tant que père de la nation, vous avez une grande responsabilité. Unir toutes les filles et les fils du pays autour d'un idéal, autour d'un objectif commun pour le bien-être, l'épanouissement et la grandeur de la nation. Donc, par rapport à la loi des finances, même si c'est une minorité, quoi de bon de ne pas les écouter Il faut les écouter. Du moment où on a vu des présidents qui aujourd'hui ont opté pour écouter une partie, cette minorité, ils l'ont fait. Regardez aujourd'hui la, large consultation, même si d'aucuns pensent que ce qui se passe en Guinée, même si d'aucuns pensent qu'il euh, faut mettre des réserves quant à la sincérité de Condé, mm. mais de toutes les façons, il a essayé de les écouter. Gérer un pays, il faut avoir des stratégies, il faut anticiper. Vous pouvez les écouter, mais c'est pas le dialogue. Le président avait dit qu'ils ne veulent pas échouer, ils, eh, doivent être, l'État doit rester euh, mm. fort pour ne pas échouer et donner. Euh, non, mais oui, mais attendez on dit par exemple qu'il faut que soit les contestations, ça soit dans les règles, mais qu'est-ce qui pousse les gens à être dans l'illégalité ou bien à ne pas respecter le droit ou bien les textes du pays Quand surtout il y a des libertés qui sont restreintes pour des prétextes fallacieux, vous ne pensez pas que vous êtes en train d'inciter la révolte Par exemple, cette série d'interdictions pour des prétextes fallacieux, parce que c'est des prétextes qui ne tiennent pas la route. Au moment où vous dites que c'est pour des raisons sécuritaires que vous interdisez, il y a combien de rassemblements qui se font Aujourd'hui, regardez, la dernière fois, moi bah, j'ai vu, j'ai vu, j'ai même discuté avec des gens, j'ai dit, mais écoutez, oh, on est en train de faire la lutte. Où on sait que c'est le sport roi qui draine des milliers de gens. Là, ce n'est pas euh, vraiment euh, quelque chose de très euh, comment on appelle peu peut aussi être interdit, parce que il faut pas que les gens vont masser vers l'arène. Et on ne le souhaite pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, se félicite que ça soit, c'est de ah, rouler dans le calme et fini dans le calme. Là aussi, parce que quand on dit qu'il y a des menaces sécuritaires, il faudrait interdire tout. Il ne faut pas qu'une partie. non, il faut que. Non, quand il y a une loi. Non, quand il y a une loi, quand on prend des décisions, il faut que cette décision, elle concerne tous les citoyens, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Parce que quand, tant qu'on sent le sentiment d'exclusion. On sent la différenciation et la catégorisation des citoyens. C'est ça qui amène d'autres à se révolter. Donc moi je pense bien que il y a des choses qu'il faut réfléchir longuement rien que la quiétude sociale, pour rien que la stabilité du pays et la grandeur de notre nation. Et seul par le dialogue, nous pouvons, il faut que nous nous écoutons, parce que nous n'avons que ce Niger. Aujourd'hui, à part ce Niger, nous n'avons pas un autre pays. Et personne ne va venir construire ce Niger à notre place. C'est nous qui devrons être ces bâtisseurs, c'est nous qui devrons être ces architectes, c'est nous qui devrons être ces ouvriers pour que ce Niger soit aujourd'hui un pays émergent. Il ne suffit pas de discours, on n'est plus au stade de discours. On doit travailler collectivement pour que le Niger puisse être ce Niger-là dont nous avons tous rêvé, avec le respect de toutes les libertés et, et garantir les droits et devoirs de tous les citoyens. Ça, nous allons revenir à toi. Et là, Suleiman Mamadou euh, du journal Niger Inter, le président reconnaît euh, à la minorité, entre parenthèses, ce qu'il a dit, à la minorité leur droit euh, de manifester, et mais que ces, ces droits doivent s'exercer dans, dans, dans, le respect de la réglementation en vigueur. Est parce que par ailleurs, comme l'a dit euh, Issa Maroumadougou, euh, cette minorité n'a pas droit à être écoutée le dialogue euh, Bon, le président lui-même n'a pas dit qu'elle n'a pas droit à être écoutée, bien au contraire, mais je dois avouer que ce mot était malheureux. En tout cas, j'ai vu les commentaires des uns et des autres. L'opinion n'a pas accepté, n'a pas du tout apprécié cette expression du président de la République. Euh, euh bon, donc euh, ça doit, ça doit être pris en compte euh, donc dans les discours qu'il y a des mots qu'il faut éviter. Mais pour le reste, en ce qui concerne la loi des finances, euh, le président de la, République a été très clair. Et je pense que c'était une forte attente euh, de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Parce qu'en réalité, en tant que magistrat suprême, on pense qu'il allait arbitrer et lui, il considère que cette loi repose aux aspirations euh, donc, euh, du peuple nigérien parce que simplement dans sa logique, c'est un instrument qui va permettre justement au gouvernement euh, donc de financer ce programme. Donc de ce point de vue-là, il est cohérent, il est logique avec lui-même et il lui dit que d'une certaine façon que ce, il ne faut pas échouer, c'est-à-dire que pour lui, dans sa logique, si on échoue, ce sera la victoire des terroristes, euh, donc, euh, euh, parce que simplement on reconnaît effectivement que la spécialité, en tout cas, c'est comme un aspect sur lequel il a vraiment assis son, a pu asseoir en tout cas sa, sa gouvernance. Donc, euh, de ce point de vue-là, on, le comprend très bien. Moi, ça, hier, quand j'écoutais le président français face à la grève des Français, il dit oui, on reconnaît euh, euh, donc justement le droit de grève, mais ne pas empêcher au gouvernement de gouverner. Voilà, d'une certaine façon, en réalité, je pense, le message du président de la République, c'est de considérer qu'effectivement, lorsqu'il parle de minorités, que, écoutez, attention, cette affaire-là, oui, vous contestez, vous n'êtes pas d'accord avec la loi des finances, mais ce n'est pas pour autant que vous allez faire obstruction, en tout cas au gouvernement, de gouverner. Parce que c'est en cela, effectivement, on parle d'impasse. Nous sommes en démocratie. Il n'y a que dans la logique du gouvernement que eux, la loi est passée à l'Assemblée nationale, parce que nous sommes dans une, dans dans un contexte démocratique. Donc, pour eux, en tout cas, à partir du moment où toutes les, les députés, les parlementaires l'ont voté, absolument, ils voté. Donc, on pense que le budget c'est un instrument. Donc, pour le gouvernement, donc euh, qui va lui permettre donc euh, de mettre en œuvre sa politique. Donc, de ce point de vue-là, le président il est bel et bien, en tout cas, de mon point de vue, il est cohérent. Il, il, considère qu'effectivement, il ne faut pas qu'on passe, qu'on, qu'on, qu'on va droit à l'impasse. C'est quoi l'impasse Effectivement, la société civile voudrait effectivement faire obstruction au gouvernement de gouverner. Et de ce point de vue-là, il faut effectivement que euh, euh, qu'on puisse arbitrer, en tout cas qu'on puisse vraiment surmonter cette difficulté. C'est un peu cela, je pense que nous sommes interpellés. Et je dis encore une fois, une des conséquences qu'il faut tirer dans, après le message du, président de la République, parce qu'il ne faut pas que les gens se fassent des illusions. Lorsque le président de la République vient dire que euh, j'adhère, en tout cas je soutiens mon gouvernement, que euh, cette loi, donc, elle est cohérente dans mon programme. Donc, ça, ça, la, vraiment arbitré, il a été très clair. Donc, cela veut dire que véritablement, si vous considérez qu'il faut continuer à contester cette loi, donc là, vraiment, c'est un, un, langage assez, assez différent. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on doit, en tout cas, euh, comme euh, les éditeurs en tout cas, le, le, disent, il va falloir considérer effectivement, soit maintenant du côté du gouvernement, en tout cas, créer les conditions, effectivement, pour écouter euh, euh, les uns et les autres, parce que je pense qu'on est déjà dans une situation assez complexe, puisqu'il y a des gens qui sont en prison. Donc des gens qui sont en prison et il y a derrière ces gens-là du monde, du monde qui, continue effectivement donc à, soutenir leur Suleiman, il n'y avait pas que ce point qui a été soulevé lors de l'intervention du président de la République euh, au sujet de la crise à l'université. Le président avait parlé de problèmes d'autorité qui sera réglé par le gouvernement. Quel commentaire? Oui. Est-ce que le président avait donné la réponse qu'il fallait à cette crise Le, président, il, a dit un truc comme, euh, très, très, symbolique. Il dit en leur temps, euh, ils se disent, ils ont comme slogan euh, techniquement compétent et politiquement conscient. Autrement dit, le président de la République est en train d'observer la situation qui s'est passée au niveau de l'université. Il y a quand même de l'indiscipline. Mm-hmm. Il y a quand même qu'à ce moment, les étudiants ont fait montre, en tout cas, d'une discipline. Et vous savez, moi, je le dis en haute intelligible voix, l'armée et l'école ont besoin de la discipline. Mm-hmm. Quand ces deux, dans ces deux domaines-là, s'il n'y a pas de la discipline, le pays est foutu. Et politiquement conscient. Donc, donc politiquement conscient, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que les gens soient conscients, qu'ils soient responsables. Pour le reste, ça, c'est la lecture du président. Il pense qu'il y a un problème d'autorité. Et je me rends à l'évidence que, effectivement, avec euh, la situation, par exemple, le communiqué du doctorat récemment, ce qu'effectivement, on tend véritablement à donc considérer qu'il y a un problème d'autorité. Donc, il faut restaurer l'ordre et l'autorité au niveau de l'université. Et cela, même pas seulement au niveau de l'université, le président a dit un message très fort il dit euh, l'ordre sans euh, donc, liberté, c'est l'anarchie et la liberté euh, sans, ordre. Donc, c'est donc. Euh, c'est plutôt le contraire. Tout à fait. L'ordre sans la liberté, c'est la dictature. C'est la dictature, voilà. Et euh, la, liberté, sans ordre, c'est l'anarchie. Hmm. Donc, ça, c'est très important aussi. Il est en train de considérer qu'il faudrait qu'on fasse attention. Liberté et responsabilité vont ensemble. Et il parle d'État fort. Un État fort parce que véritablement, ce qu'il dit, la, la conséquence, c'est qu'effectivement, lorsque un pays comme le Niger très fragile face à, un euh, problème d'insécurité lorsqu'un tel pays, effectivement, on tend à anéantir l'État, à affaiblir l'État. Cela a comme conséquence véritablement d'anticiper la mort de tous contre tous, mettre en tout cas le pays en danger. Et je pense que véritablement, que ce soit Issou ou bien après Issou, il faudrait que, résumer, il faut que, les vous, l'autorité de l'État. À résumer, est-ce que pour vous, al euh, Suleiman Mamadou, est-ce que euh, la société civile doit renoncer à cette lutte Je ne le dis pas, mais je dis que la société civile, sa, vocation, c'est de ne pas faire obstruction à un gouvernement de gouverner. Bien. Si tel est le cas, effectivement, il considère qu'il faut dégager un gouvernement mis en place euh, donc, démocratiquement cela, en tout cas, n'est pas la vocation de la société civile. Bien. Donc, et pour être précis, ce que j'ai dit que, encore une fois, les questions nationales, on doit être en tout cas disposé à les régler de façon vraiment euh, avec beaucoup de, sens de responsabilité. Et c'est pourquoi je pense que aussi, moi je l'ai dit, en tout cas de mon point de vue, ce qui a manqué au discours du président de la République euh, euh, ce jour-là, c'est de ne pas faire vraiment des annonces dans le sens euh, d'apaiser, dans le sens euh, du dialogue, dans le sens vraiment de, peut de, rassurer ceux-là qui sont en train de contester que oui, voilà, effectivement, est-ce que vous avez senti dans le discours du président que... ça m'a entendu pour tout le monde, mais vraiment, on aurait par exemple voulu qu'ils disent par exemple pour le train de vie de l'État, par exemple, ou bien considérer à revoir le gouvernement. Tout cela, en tout cas, on s'attendait, en tout cas, qu'il des annonces, en tout cas, de ce point de vue. Bien. Euh, Issa Madougou, rapidement <laughs> sur ce, sur ce point. Ben, euh, écoutez, moi, par au sujet de l'université et puis aussi au sujet d'autres questions, la liberté. Euh. Écoutez, moi, j'aurais bien voulu que, c'est-à-dire, c'est le style qui a été utilisé dans l'interview que ce n'est pas tout le monde. Aujourd'hui, si Alagi Suleiman peut décortiquer cela, ce n'est pas, il faut imaginer que ce n'est pas tous les Nigériens qui peuvent venir. J'aurais voulu que le président utilise vraiment un langage très clair, du français très limpide, qui peut être compris par tous les Nigériens. Donc, il ne faut pas faire des, des, des figures de style aujourd'hui, le gros français, pour faire l'utilisation de ces figures de style pour faire des, des exemples que, qui va, qui va pas amener beaucoup de gens aujourd'hui. Quand vous prenez, même quand vous, vous, vous interviewez quelques citoyens au lendemain, il y a beaucoup de gens qui disent que n'est rien comprendre parfois dans certaines réponses parce que ils, ils pas à avoir le lexique qui a été utilisé. Donc, j'aurais bien voulu que quand on pose la question, pour faciliter la compréhension les Parce qu'aujourd'hui, le président est dans l'obligation aujourd'hui de faire le point aux citoyens. Il a bénéficié de 92% selon les résultats de, de l'élection de son deuxième mandat. Donc il est dans l'obligation aujourd'hui de restituer à ces 92% et au-delà toute la nation nigérienne sa gouvernance, les réussites, là où il y a eu des obstacles, là où il faut, et les perspectives, là où il faut corriger. Donc moi je pense par rapport à l'université, mais je n'ai rien compris. Franchement, même aujourd'hui, avec toute explication, j'aurais bien voulu que le chef de l'État, c'est le chef de l'État, qu'il soit clair sur la question et qu'il se prononce, par exemple, pour comprendre aujourd'hui que si les deux parties ont tort, qu'ils le disent. Aujourd'hui, non, si les étudiants, la partie des étudiants, ils n'ont pas respecté les règlements qu'ils le disent, et si les enseignants ont fait abus abuser de, leur pouvoir, qu'ils le disent, que, que ça soit clair. Il n'a pas besoin de donner des exemples. Le parce que ce n'est pas de problème d'autorité. non, mais écoutez, il fallait décortiquer pour le comprendre dans sa réponse. Oui. Au vu de la suite, on peut imaginer. Suleiman mais attends, non, non, oui, mais écoutez, non, ça c'est Suleiman qui est déjà dit. Nous et Suleiman peut-être, et vous aux autres, qui peuvent analyser cela. Est-ce qu'aujourd'hui nous, allons, avons le temps pour aller dans les campagnes pour expliquer aux, villageois qui ont leurs enfants ici, qui attendent, qui font l'espoir Pour vous, euh, pour vous il n'a pas été très clair. Non, j'ai voulu que le président soit direct et précis, clair et conçu pour que tout le monde comprenne. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'arrêté encore, moi j'aurais pensé que le président puisse dire que voilà ce qu'il y a à faire, voilà la décision qu'il va, les annonces fortes. Quand on entend les autres, quand ils font leurs interviews, il y a des annonces fortes qu'ils ont faites. Il y a un langage clair et limpide qui est adressé aux populations a à partir d'une situation. Par exemple, pour finir, pour la loi des finances. Moi, je ne pense pas qu'on dit que non, que je ne suis pas d'accord avec ce point que le gouvernement puisse dire euh, que la société civile veut un peu réduire ou euh, bien faire bloquer. sa gouvernance. Non. La, la société civile a été claire. Sur les, ils ont dit certaines mesures. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait un dialogue constructif, des échanges, vraiment que le débat soit dialectique, qu'aujourd'hui, que les gens arrivent à s'expliquer. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec le Voilà, nous, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons pris. Une fois, je l'ai dit sur le sujet, quand on a dit la suppression de la Tati. Moi, je n'ai rien compris au départ. J'ai lu, j'ai lu le texte. Mais quand j'ai écouté le ministre des Télécommunications, une fois quand il a expliqué, j'étais convaincu parce que là, c'était bénéfique parce qu'il dit que les compagnies n'arrivent pas à respecter leur euh, cahier de charge dans les investissements parce qu'on dit sur les 266 ou bien quelques communes. Bon, nous n'allons pas venir. Euh, voilà. Donc j'aurais bien voulu que euh, le gouvernement les appelle. Il y a une partie. Ils n'ont pas dit c'est toute la loi des finances qui le contexte, mais une partie. Vous voulez, c'est les lois, les nouvelles, les, les nouvelles mesures fiscales qu'ils sont en train de contester. Il faut les amener à les convaincre pourquoi nous avons mis ça. Eux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Maintenant, si vous arrivez à un peu, vous allez trouver chacun va faire sa proposition et le juste milieu pour euh, parfaire. C'est une loi, c'est les hommes qui font les lois et il n'y a pas une loi qui n'est pas sur Pour vous, le dialogue manque. C'est le, dialogue qui manque et chacun reste sur une position figée et cela ne va pas avancer ce pays. La position figée ne nous arrange pas. Même dans une famille, les positions figées ne peuvent pas amener la sérénité. Euh, parlons cette fois-ci de la sortie médiatique du MPN Kishinkasa, dont le bureau politique a rendu public euh, sa position sur le code électoral. Euh, donc, je vous propose d'ailleurs de suivre Garba Hambali Daouda, secrétaire général du MPN Kishinkasa, à ce sujet en 2017, lorsque on était même dans le cadre du CNDP, qui est quand même un organe ou un cadre euh, consacré pour euh, la concertation des partis politiques, nous avions émis des réserves lorsqu'il avait été question du code électoral. On voit une CENI qui n'est pas du tout consensuelle. On voit une CENI où les partis politiques en compétition ne sont pas représentés. C'est des inquiétudes. Mais au-delà de cette CENI, il y a la direction d'informatique et du fichier biométrique. On voit des dangers par rapport à la désignation des membres de cette euh, DIFEB. On voit des dangers quand il est question du bureau de vote lui-même, où le président du bureau de vote a toute la latitude de nommer ou de désigner en train de choisir les autres membres du bureau. Vous voyez un danger pareil. Nous faisons partie de la mouvance au pouvoir et c'est ce qu'on avait dit. La composante majorité-opposition, où chacun est tenu d'amener trois personnes. Est-ce que le jour du scrutin, ou est-ce que dans le déroulé des élections, est-ce que quelque part quelqu'un aura le temps de veiller aux résultats de quelqu'un d'autre Il ne représentera que lui-même. On ne va pas aux élections en tant que groupe, on va aux élections en tant que parti politique. Garbambali Dauda, secrétaire général du MPN Kishinkasa. Elhaj Soulem, et eh, Issa, plutôt, nous allons continuer euh, avec vous. Que cache cette sortie du MPN Kishinkasa Je ne peux pas dire cacher. mais, je peux prononcer pour dire que la vision, c'est-à-dire quand ils disent que c'est pour garantir, pour qu'il y ait des élections consensuelles et qu'une partie ne puisse pas se sentir frustrée et que euh, qu'il y que la composition euh, de la CENIR reflète la classe politique dans son ensemble. Je suis entièrement d'accord. C'est peut-être salutaire. Mais moi, ce qui entend de euh, m'amener à m'interroger, ces gens-là ont participé à l'élaboration, au débat, qui ont, depuis le CNDP jusqu'au vote euh, au niveau de l'Assemblée nationale du code électoral. Seulement, ils disent qu'ils ont toujours, ils ont émis un certain nombre de réserves. Pourquoi ils n'ont pas voté contre Leurs députés, ils étaient de la majorité, ils ont tous voté pour ce code électoral. Pourquoi à la dernière minute Sous réserve. Sous réserve. Mais non, écoutez, attendez, il faut que ça soit clair. On ne peut pas continuer à accepter qu'aujourd'hui les politiciens prennent en otage ce pays. Si vous participez à une démarche, assumez-vous. Vous faites votre vote face, amenez des arguments convaincants. Parce que le peuple nigérien n'est pas un peuple de moutons. C'est ça. Vous avez participé à un processus durant tout ce temps. Vous êtes là en train de dormir parce que maintenant vous voyez que vos intérêts sont en train d'être menacés. Vous venez nous faire du, comment on appelle votre show médiatique pour nous dire que c'est comme si on ne va plus je vais vous dire une chose, la réalité de ces nouveaux partis politiques qui émergent, ils veulent toujours jouer avec la sensibilité, les sentiments des Nigériens en jouant la victime ce n'est plus d'accord. Faites un projet de développement, un vrai projet de société. C'est en ce temps-là que les Nigériens. Les Nigériens ne vont jamais accepter qu'aujourd'hui, quelle que soit la formation politique, puissent jouer la victime, jouer sur le sentiment des Nigériens ou bien la fibre communautaire pour s'attirer. Vous êtes sûr que les Nigériens ne vont pas le faire ou bien vous êtes sûr que vous, vous ne le faites pas Non, les Nigériens, je vous assure qu'il y a un changement, il y a un changement de mentalité. Est-ce que, donc, vous, vous dites que. Euh, ce ah, n'est pas, c'est à dessin. C'est à non, c'est j'ai vu, excusez-moi du terme, que eh, j'ai vu un article par rapport à ça où on a dit en quoi ça nous regarde cette sortie médiatique. <laughs> Parce que vous ne pouvez pas. C'est un allée du pouvoir. Un allée du pouvoir qui a participé. Regardez, analysez un peu le processus. Ils étaient au départ. Ils ont tous voté. C'est à la dernière minute. La vision, j'ai dit, la vision, c'est pour amener la sérénité. Elle, elle est appréciable. Mais maintenant, c'est la manière dont ils ont fait leur, euh, leur show médiatique qui, on sent qu'il y a une part d'irresponsabilité envers le peuple nigérien. Parce que oh, on, dit quand même qu'il vaut mieux euh, jamais, ah, non, tôt, tard que jamais. Est-ce que, le fond, c'est qu'ils critiquent, c'est qu'ils sont sortis critiques quand même dans le fond, ce n'est pas justifié. Mais écoutez, c'est ce que j'ai dit, la vision de, leur déclaration. Elle est appréciable. Mais vous pouvez dire qu'avant, là, ils n'étaient pas conscients ou bien quoi, quand ils, étaient, ils ont voté, ou bien qu'on les a mis des, des, armes sur leur temps pour dire votez ça. Non, ils étaient libres. ils étaient libres de leur choix. Ce n'est pas que. moi, ce que hein. j'ai dit pour finir, c'est toutes ces formations politiques, on les connaît les leaders là. Ils veulent encore jouer avec euh, le sentiment de victime et le comment on appelle euh, le sentiment des Nigériens, et le sentiment d'être un victime pour que les gens adhèrent à leur vision. Et, ce n'est plus ça. Proposer des vrais projets de société pour que les Nigériens adhèrent à votre vision politique. est-ce que est-ce que euh, Issa, Issa, on n'a plus le temps. Est-ce que vous vous êtes d'avis avec Issa Madoukou que c'est tout simplement euh, que les gens veulent jouer avec le sentiment euh, des Nigériens, euh, se transformer en victime. Bon. tout simplement le réveil. Je, vais essayer plutôt d'apprécier cette déclaration. je considère que c'est un parti de la majorité, le un peu le président euh, ministre euh, donc, justement, absolument. Euh, donc, je pense que, quand même, il faut l'admettre, cela traduit la vivacité de notre démocratie, puisque au sein de la majorité, il y a cette, des frictions et les gens viennent faire une déclaration donc bon, la conséquence, c'est que bon, on se dit que euh, vous l'avez dit tout à l'heure que le ministre des Affaires étrangères, euh, Ibrahim, Yacoub, effectivement, lorsque son parti vient dire que le processus électoral euh, est entaché, en tout cas risque de ne pas être donc bon, vous voyez ce que ça fait comme conséquence à l'extérieur. Donc, bref, je suis en train de, de me poser la question euh, en ce moment, justement, sur le français déclaration, en ce, moment, à ce moment euh, précis, précis qu'est-ce que cela cache Dans tous les cas, euh, pour le moment, le parti donc au pouvoir n'a pas encore réagi. Mais on va voir dans les prochains. Non, eux-mêmes n'ont pas ce qui est aussi assez curieux de leur déclaration ils n'ont jamais dit que leur, leur appartenance à ah, la MRN. En tout cas, il n'y a pas cet aspect-là dans leur déclaration. Donc, hmm. moi, je pense que la critique, nous sommes en démocratie, elle est tout à fait normale. Mais je dois, en tout cas, dire que aussi, à ma connaissance, eh, au niveau de la mouture de, cette, de ce corps électoral, l'opposition à trois, trois postes, la majorité à trois postes, et au niveau de la MRN, en tout cas selon mes informations, ils ont distribué ces postes en, fonction du pouvoir politique. Le MNSD a eu un poste, euh, le MNSD un, la Jamahouria un. Donc, ce point de vue-là, je pense que le Kishin conteste effectivement n'avoir pas un poste. Bref, dans tous les cas, euh, c'est apprendre donc. Euh, c'est en tout cas pour moi une expression de la liberté, en tout cas euh, de la démocratie tout simplement. C'est ici que prend fin le forum de la presse de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions en compagnie de Issa Moroumadougou, journaliste à la radio-télévision Ténéré, et là Mohamed Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Présentation à sainte Kouzi Mahamadou. Bon début de week-end à tous. N'oubliez pas le rendez-vous des forums à Hausa. ce samedi avec Mamanada et Anzarma avec Balkis Amidou. Tous les deux vous parleront du secteur de la pêche et de la pisciculture au Niger. Bonsoir.